Jeudi 2 novembre 2023, auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous pour notre émission Le Niger sur Kalangou. Moi, c'est Salamatou Kadri et ce matin, je suis en compagnie de Fanta Chamsou. Fanta, bonjour, comment tu vas Je vais bien, Salamatou, j'espère que tu vas bien. Ah, aussi. Ah, super aussi. Super, alors faisons aussi un coucou à ceux qui sont de l'autre côté de la vitre et qui nous accompagnent. Il s'agit de Rayla Toussoumana et Adam Adoua qui à l'édition et à la technique Amina Hassan. Aujourd'hui, notre rubrique hebdomadaire éducation numérique s'intéresse à un sujet grave, la sextorsion, qui a déjà fait l'objet d'une alerte nationale aux États-Unis par le FBI en début d'année. Restez câblés pour en savoir plus. Et comme d'habitude, il y aura nos rubriques quotidiennes qui parlent du sport, de la culture linguistique et aussi le portrait. Dans la partie éco des régions, nous irons à Tilaberi pour parler de l'augmentation du prix de sac des et comme invité ce matin, nous recevons Houbab Sani Mohamed, artiste islamère. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'entamer notre programme, suivant le flash d'information présenté par Nafissa Adamou. Nafi, bonjour. Bonjour tout. Bonjour Fanta. Bonjour Nafissa. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahman Chani, a signé hier mercredi 1er novembre 2023 un décret portant nomination des membres de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale Coldef. 35 personnalités ont ainsi été nommées comme membre de la dite commission qui a pour mission principale de recouvrer tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Le Niger exportera 90 000 barils de brut par jour en plus des 20 000 raffinés à la Soraz. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Ali Mohamed Leminzen au lancement officiel de la mise en production de la phase 2 du bloc d'Agadem. Cette mise en production, selon le ministre du Pétrole, ouvre ainsi des perspectives pour le développement socio-économique du Niger. Enfin, le comité régional d'organisation de la 44e édition du Sabre national a été installé hier à Niamey par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, un comité qui aura pour charge de coordonner toutes les activités pour la réussite de l'événement. Cette année, le championnat national de lutte traditionnelle se déroulera à Agadez du 22 au 31 décembre prochain. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa chers auditeurs. Comme annoncé, ce matin, nous recevons Houbab Sani Mohamed. Il est artiste islamère mais titulaire d'un Master 2 en communication journaliste. Bonjour Houbab. Bonjour. Bonjour Houbab. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mais avant de nous entretenir avec vous, nous allons écouter l'une de vos œuvres. Il s'agit de Retour à la source. On écoute et on revient. Loin de ma terre natale, j'ai couru à travers les rivières du Sénégal, traversant les champs de blé que ma grande-mère m'a tant cités. J'ai croisé des papillons survoler les pétales et qui chantaient les louanges des esclaves qui sont tombés en martyrs pour la liberté. Ma couleur est celle du goudron aplati au sol et que l'on pétine. Ma couleur est celle du charbon que l'homme utilise en cuisine. Je vis dans une Afrique apocalyptique d'où son peuple réunit sa pudeur, ses valeurs, ses principes et ses racines. Les bateaux de l'Europe se sont éclipsés avec une partie de l'Afrique, laissant derrière elle un vide, une blessure, une pluie de tempête sans beau temps. Et pourtant, elle rit voilà, chers auditeurs, c'est du slam que vous venez d'écouter et nous sommes en direct avec l'auteur Oubaïb Sani Mohamed. C'est très beau ce que vous écrivez. Merci beaucoup. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ces textes que nous venons d'entendre En fait, euh, dans ce texte, j'ai voulu remémorer ou bien, comment dirais-je, rendre euh, hommage mhm. à la culture africaine dans le sens où nous avons été esclaves. Après cela, les ressources minières mm-hmm. euh, dont l'Afrique possède et qui est, comment dirais-je, dont l'Occident s'accaparesse de là. Donc j'ai voulu faire ressortir cela dans mon texte. Mm-hmm. Et euh, quel est le message Le message, c'est de rester haut, d'être fier d'être noir aussi. <laughs> Alors vous êtes journaliste de formation, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'islam en fait, je, me sens très à l'aise avec la communication. Donc, euh, le journalisme, c'est le fait de parler, c'est le fait d'être euh, euh, devant les caméras, poser des questions. Et d'informer surtout. surtout. <laughs> les faits, les rapporter tels qu'ils sont. Donc cela, je me suis plus senti à l'aise. C'est pour cela que j'ai voulu faire le slam. Mais euh, vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que le slam Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Le slam, c'est de la poésie urbaine. C'est-à-dire que nous avons deux types de poésie. Nous avons le slam qui est de la poésie urbaine et nous avons le slam classique. Mhm. Dans le slam classique, ce sont des règles à respecter. Tandis que avec le slam, tu peux être libre de créer ton propre style. Tandis que dans la poésie, il y a des règles, il y a des rythmes, il y a aussi euh, l'intonation, et des phrases que tu dois mettre, euh, surtout des phrases euh, soutenues. Mhm. Tandis que slam tu es libre. mais quel est le point commun Le point commun, c'est le message. et les rimes, peut-être Oui, les rimes aussi. Mhm. Le message que tu traites et les rimes et la manière dont tu, tu coordonnes ton texte. Est-ce qu'on peut classer le slam parmi les genres musicaux De mon point de vue, oui. Parce que le slam on peut utiliser le slam avec la flûte, les pianos mhm. et tout ce qui va. Parce que là, il y a aussi une musique en sourdine dans ce que nous venons d'entendre. Effectivement, donc il y a du piano dedans. Mm, ah, c'est du piano. Oui. Depuis quand faites-vous du slam, Houbab J'ai commencé en 2014. J'ai commencé le slam en 2014, grâce à Jonel d'ailleurs. C'est grâce à lui que j'ai connu le slam. Donc, euh, c'est en 2014 que j'ai commencé le slam. Comment ça a commencé Nous, on veut tout savoir. Voilà, il faut nous expliquer. Vous vous êtes levé un beau jour maintenant, aujourd'hui. Il faut que j'écris des textes pour que je sois. Ok, je m'explique. Hmm. Euh, un jour, nous étions au euh, CCFN mhm. parce qu'avant, il y avait. Euh, j'étais dans le lycée Cheikh Anta de Harobanda. Mhm. Donc, je faisais en ce temps la cinquième ou bien quatrième, si je me rappelle bien. En ce moment, il y avait euh, des professeurs qui venaient nous enseigner le théâtre. Donc, chaque lycée, les différents lycées s'affrontaient là-bas au CCFN. C'est là-bas que je suis allé, j'ai rencontré Jonel. Jonel est monté sur scène, il a fait un de ses textes qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. C'est lequel j'ai vraiment oublié. Ah. J'ai vraiment <laughs> oublié. Dommage. Je mm. pense que c'est Niamey Kourkoum. Voilà. Niamey En c'est l'un des plus célèbres de Journal. effectivement, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Alors, je suis rentré à la maison, j'ai pris mon cahier, j'ai pris mon bic, j'essayais d'écrire, mais j'écrivais du n'importe quoi à l'époque. C'était pas trop ça. Donc, avec ça, je suis. Eh, en, 2000, en 2018, j'ai dû retourner au Mali euh, pour continuer mes études là-bas. Donc, c'est là-bas que là, je me suis mis à fond par la grâce de Dieu, il y avait, comment dirais-je, une organisation qui s'appelait Agoratoire, qui aidait les jeunes slameurs. Ils faisaient des concours nationaux là-bas. Donc je me suis inscrit. J'ai été champion national une première fois en 2017, puis champion national en 2018. Donc grâce à ça, j'ai pu euh, voyager. J'ai représenté le Mali en France et au Tchad. Et quels sont les sujets que, vous touchez dans vos écrits Moi, je touche, moi j'aime tout ce qui est la société. Tout ce qui est société. Le, euh, parce que dans la société, il y a des hauts et des bas. Et mes textes, à part ces deux textes, je parle beaucoup de la jeunesse, de la société et de ce qu'il y a entre parents, famille, famille, connaissances et même la jeunesse. Euh, selon vous, est-ce que les Nigériens s'intéressent au slam Je dirais que les Nigériens ne s'intéressent pas au slam parce que pourquoi les slameurs ne sont pas nombreux ici À part Jonel, Alteste et j'ai oublié son nom, c'est une fille. Mounas euh, Oui. Il y a Mounas, nous avons Nourant. Voilà, je ne les connais pas tous, mais c'est ce que j'ai pu, pu voir. Je me suis dit parce que euh, les jeunes sont plus attirés par les chansons de l'extérieur, les, rappeurs, mais ne s'intéressent pas au slam parce que le slam, c'est un message qu'on porte. C'est. <laughs> C'est trop fort. <laughs> C'est trop fort. D'accord, merci beaucoup. Avant de continuer, nous allons à nouveau écouter un autre de vos tests intitulé Amertume pierre de mon cœur s'assombrit au souvenir de mes pensées macabres. J'essaye de décrire ce que je ressens au fond de mon être, mais j'ai l'impression qu'une personne se tient devant moi avec un sabre. Un muet qui me murmure à l'oreille, un silence aux questions que je me pose, alors je marque une pause et je me noie dans l'alcool de mes songes. Et si je compare ma vie à celle d'une rose, elle deviendra noire par ce qui me ronge. Je coule des larmes cristallins, je rêve comme Aladdin, rester éveillé toute la nuit, contempler le ciel et ses mille merveilles, oublier mes ennuis. J'aimerais danser jusqu'à l'infini, sur le son des tambours t'entame la flûte, flûte de mes ancêtres. Comme le baobab, je reflète le temps et l'histoire. Je reste silencieux, j'observe, je garde en mémoire. Voilà, chers auditeurs, c'était Amertume, un test islamé par Houbab. Mais dites-nous, qu'est-ce qui est amer dans votre vie qui vous a poussé à écrire ce test <laughs> Non, en fait, euh, hmm. euh, j'ai écrit ce texte pourquoi Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se trouver dans la dépression. Il y a, j'ai, euh, comment dirais-je, personnellement, j'ai des amis, ils sont dépressifs euh, récemment, j'ai une amie qui s'est suicidée à cause de ça. Ils ont ce mal en eux, mais le problème, c'est que la famille ne voit pas, les amis ne voient pas, et cela peut pousser à, se suicider ou bien à se faire du mal mhm. et à être euh, dans un mode de vie très, très, très triste. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu extérioriser cela à travers euh, ce texte qui est l'amertume. Mhm. Mais alors, Koubeb, dites-moi, euh, est-ce que le slam nourrit son homme ici au Niger Le slam nourrit-il son homme <laughs> ici au Niger C'est la question, en effet. Mm. Bon, je vais toujours prendre le cas de Jonel parce que j'ai suivi, je pense que c'était avant-hier, j'ai suivi une petite documentation sur ORTN euh, au RTN dans lequel il parlait de lui-même, il parlait de ses activités et grâce à ça, il voyage. Grâce à ça, je pense qu'il a pu, euh, comment dirais-je, euh, créer une petite association qui, qui, pour les démunis ou je dirais les handicapés. Mhm. je pense que le slam nourrit son homme parce que si nous prenons aussi, au Niger surtout, j'ai voulu prendre l'exemple de l'extérieur comme mhm. grand corps malade que nous connaissons tous. Donc lui, il fait des tournées, il remplit des salles. Jonel aussi, par la grâce de Dieu, il arrive à faire des concerts et il sort aussi, le voyage. On espère aussi pour vous bientôt, vous allez remplir les salles. <laughs> Inch'Allah, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une autre activité à part le slam À part le slam, vu que je ne réside pas totalement au Niger, j'ai une activité qui est dans la télécommunication. On fait des, plus des euh, spots publicitaires. Et quels sont vos projets d'avenir dans le slam. Ouais. Mes projets d'avenir dans le slam, surtout, vous savez. Et pas que, hein? on veut savoir au-delà même du slam. <laughs> Waouh, ça c'est. <laughs> en tout cas, j'ai beaucoup de projets. Dans euh, le projet dans le sens artistique qui est le slam, vous savez, nous, nous avons des problèmes qui est surtout le problème financier. Mhm. Moi, je dirais pas que j'ai eu des problèmes avec la famille pour euh, faire quoi que ce soit. Ils m'ont toujours soutenu d'ailleurs. Donc je dirais que mon projet pour le slam, c'est vraiment de mettre la barre haut, haute et essayer de captiver plusieurs publics pour euh, au moins à travers cela. Et euh, où est-ce que vous voyez dans 5-10 ans Dans 5-10 ans Ouais. Millionnaire <laughs> ou milliardaire à vos souhaits. <laughs> Ok, d'accord. Maintenant, pour finir, est-ce que vous pouvez nous slammer quelque chose au nom du studio Kalangu Au nom du studio <laughs> Kalangu oui, un truc comme ça. <laughs> Waouh, je suis pas fort dans les impro. Ah. Mhm. Mais est-ce que vous avez. Mais est-ce que je, peux faire une autre Oui, vas-y. Voilà. Donc, mhm. j'aimerais vraiment parler de la jeunesse, surtout à mes jeunes, mes sœurs qui m'écoutent. Mhm. Ma jeunesse, J'essaie de comprendre cette jeunesse qui perd ses membres en faiblesse et qui se blesse de la conscience. Tu veux être comme Madou. Lui, son père est un député et toi, ton père est un marabout. Tu rêves d'avoir ses fringues et sa vue de luxe, avoir ses belles filles qui lui tournent autour comme des puces. Sans réfléchir, tu te brusques le cerveau. Tu veux coûte que coûte avoir des miettes en gogo. Tu commences à voler ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Plus le temps passe, tu en veux plus. Là, tu montes un grand coup. Cinq heures plus tard, les pompiers et les policiers appellent son père pour lui dire que son fils a été brûlé au marché Honte. Honte à cette jeunesse qui passe 90% de son temps sur le net, qui oublie ses cahiers à cause de ce monde virtuel qui n'est pas net, créant une fausse image de soi pour se mentir à soi-même. Ma jeunesse, qui est censée être une jeunesse de révolution, peace pisse sur nos coutumes et traditions. Les filles de cette jeunesse veulent, les filles de cette jeunesse veulent être comme leur idole sans se rendre compte, s'exhibent nus comme des folles. Certains de mes sœurs, à 17 ans, ils sont dealers, plus rien ne les ferait, même pas le feu de l'enfer. À 30 ans, tu tends toujours la main à ton père. À 15 ans, tu es déjà devenu mère. Dieu m'en est témoin, ce soir, je vous parle avec douleur et tristesse. Il faut qu'on nous sauve, et ça à vitesse. Tu ne choisis pas tes parents, c'est Dieu qui te les donne. Tu ne choisis pas ton destin, c'est Dieu qui te l'impose. Merci, waouh! mes yeux brillent presque quand je vous regarde. C'est très beau ce que vous slamez. vous avez l'air très jeune et on vous souhaite un très bon vent. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir aussi accepté notre invitation. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, nous allons à présent passer à la rubrique hebdomadaire sur l'éducation numérique avec Ousmane Mamoudou. Bonjour Ousmane. Bonjour à tous. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin Alors, aujourd'hui, on va parler de sextorsion. Et Ousmane, peux-tu nous en dire plus sur ce phénomène et son ampleur Alors, la sextorsion, c'est un crime qui cible euh, principalement les enfants et les adolescents aux États-Unis. Euh, mais pas qu'aux États-Unis, hein, c'est un peu partout dans le monde, mais comme c'est un pays un peu avancé, un peu à la devanture des choses, ils font déjà beaucoup d'études dessus. Mais au Niger, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études euh, à ce sujet, mais quand même, on constate qu'il y a aussi des adultes qui sont touchés. Alors, la sextorsion, pour faire une définition assez brève, c'est quelque chose qui consiste à contraindre les victimes à envoyer des images explicites en ligne. Entendez par images explicites euh, des images intimes de nus euh, puis à les extorquer pour obtenir davantage de matériel explicite ou de l'argent. Alors, on en parle aujourd'hui puisque les malfrats utilisent aujourd'hui des techniques de plus en plus sophistiquées, notamment l'utilisation d'intelligence artificielle pour générer de fausses images ou de vidéos explicites à partir d'images anodines prises sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, etc. Et ça, ça a été dit euh, par la euh, FBI dans une récente dépêche de Reuters. Donc il y a aussi une technique encore beaucoup plus sournoise qui consiste à pirater les hôpitaux afin de dérober les dossiers médicaux euh, dans lesquels des images intimes de patients s'y trouvent justement pour les faire chanter après. Ah. Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'ampleur de ces problèmes aux États-Unis Alors, au cours de l'année écoulée, les forces de l'ordre ont reçu plus de 7000 signalements aux États-Unis liés à la sextorsion à ligne de mineurs, impliquant plus de 3000 victimes, principalement des garçons. Euh, et, malheureusement, euh, plus d'une douzaine de victimes de sextorsion euh, ont même mis fin à leur vie en euh, raison de la détresse que cela leur a causé. Donc c'est un vrai problème qui nécessite une action immédiate. Et comment ces extorsionnistes euh, subissent leur euh, cible Alors c'est très classique, hein. ils opèrent sur des plateformes en ligne où les gens se sentent un peu à l'aise, comme les réseaux sociaux évidemment, les sites de jeux en ligne et les applications de chat vidéo. Donc ils vont créer souvent de faux comptes pour approcher les personnes, qu'elles soient mineures ou adultes, les tromper les tromper pour obtenir des images explicites, puis les menaces de divulguer ce matériel-là qui est explicite s'ils ne fournissent pas davantage de contenu de ce type ou de l'argent. Donc parfois, il existe des paiements via des applications qu'on appelle peer-to-peer dans le jargon informatique. Donc ici, c'est à peu près ce qu'on peut avoir euh, au niveau de Nita, d'Airtel Money, d'Orange Money, etc. Mais est-ce que les poursuites judiciaires contre les extorsionnistes sont fréquentes alors, au Niger, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais aux États-Unis, les autorités américaines euh, ont engagé des poursuites dans plusieurs affaires de sextorsion au fil des années. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle euh, Buster euh, Hernandez qui a été condamné à 75 ans de prison en 2021 pour ses nombreuses activités criminelles, dans la sextorsion. Et quels, sont, quels conseils donnerez-vous aux parents et aux tuteurs pour protéger leurs enfants de la sextorsion Alors déjà, il faut prendre des mesures préventives. Les parents et les tuteurs doivent euh, engager des discussions avec leurs enfants sur ces sujets pour les aider à comprendre les dangers euh, qu'on trouve euh, en ligne. Et les adultes aussi doivent faire beaucoup attention à ne pas se faire avoir. Il faut qu'ils s'assurent que la personne avec laquelle elles échangent sur les réseaux sociaux n'est pas un malfaiteur. Euh, si quelqu'un se trouve déjà dans, piégé dans un cas de sextorsion, quelles mesures est-ce qu'il peut prendre Oui, alors si la personne est déjà victime, c'est essentiel de signaler ce crime aux autorités, que ce soit la police, la gendarmerie, etc. selon le pays, il peut y avoir des mécanismes prévus pour ça. Mhm. Alors, et deuxième chose, il ne faut jamais céder au santage du prédateur puisque cela ne, euh, ne, va tout simplement pas l'arrêter. De toute façon, il va toujours continuer à vous demander de l'argent, même si vous lui en donnez ou vous demandez d'autres vidéos, même si vous lui avez envoyé une hier. De plus, une euh, euh, information encore euh, très importante, c'est qu'il est recommandé de ne pas supprimer les messages ou le profil du prédateur, donc de la personne qui vous harcèle sur les réseaux sociaux, parce que ça peut servir de preuve à la justice et ça peut aider les forces de l'ordre à l'identifier et à l'arrêter. Mhm. Donc ces victimes peuvent également obtenir de l'aide auprès d'un centre, de centres spécialisés, je le disais, euh, pour certains pays, c'est le cas des États-Unis, ils ont des centres prévus pour ça et un peu partout dans le monde, mais malheureusement au Niger, on, ne voit pas de euh, section juridique spécialisée sur ces questions. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Ousmane, pour ces informations cruciales sur la sextorsion. Chers auditeurs, avant de continuer, nous allons souffler en musique avec le son Pasito de Barakina. première nuit, elle m'a mis d'accord. Et tout est passé avec un peu d'effort. Je pouvais plus résister now, donc il fallait insister. Elle m'a dit je suis désolé, bébé. Mon cœur il est sans pitié. J'ai le cœur brisé, l'amour et moi on n'est plus liés. Si t'as rien pigé, j'ai juste la night pour te faire vibrer. Mais elle m'a dit qu'elle ne sait pas aimer, Que tôt ou tard elle va s'en aller. Bah désolé si j'ai mal géré mon bébé. Oh. Mais ne quitte pas si tôt. Tu niquer le topo. Pas si tôt. Non, ne pars pas si tôt. Ma chérie, oh. Tu tu niquer le topo. le papacito. Mon bébé, tu vas niquer le topo. pas Bakery réel lover. Baby ni les can love lover. If you love me forever, we will live in together. Arrête me juger. Ne pas si tôt, c'est qu'il faut comprendre dans ce titre. Pas, pas si tôt est une chanson d'amour qui cartonne sur les réseaux sociaux. De son vrai nom, Moubarak Issoufou Oumarou, connu sous le nom de Barakina. C'est la révélation musicale de l'année 2017 à travers sa maîtrise du bah, rap, de l'afro-trap, du trap hausa, de l'afro-beat. Il est l'un des artistes urbains les plus célèbres au Niger. Mais elle m'a dit qu'elle ne sait pas aimé. Que tôt ou tard, elle va s'en aller. Pas bah, désolé si j'ai mal géré mon bébé. Oh. Mais ne quitte pas si tôt. Tu niquer le topo Pas si tôt. Non, ne pas si tôt. Ma chérie, oh. tu niquer le topo. le papacito. Mon bébé, tu vas niquer le topo. Akeche kesani masasara, keche kesani masasara, keche kesani masasara. Ne me quitte pas si tôt. Akeche kesani makarakata, keche kesani makarakata, keche kesani makarakata. Ne me quitte pas si tôt. Pas non le papacito, Sito, Ma chérie, oh, tu vas niquer le topo. Pasito, non le papacito. Mon bébé, tu vas niquer le topo. Chers auditeurs, après cette pause musicale, nous allons continuer avec le reportage rejoint qui nous amène à Tilaberi ce matin, Fanta. Tilaberi, une ville reconnue sur le plan national pour la production du riz, cette céréale qui occupe une place importante dans nos ménages, pour ne pas dire la première place dans notre consommation, notamment en milieu urbain, même si son prix est en hausse actuellement. Plus de détails, pour plus de détails, suivez ces reportages de Boubacar Oumarou. La région de Tilaberi, appelée aussi la capitale du fleuve, est reconnue sur le plan national pour sa production en riz. En effet, depuis les événements du 26 juillet 2023, le prix du riz est en hausse et son accessibilité devient rare. Qu'est-ce qui explique cela Les explications avec Moumouni Hamadou, point focal vente des denrées alimentaires. ça, c'est une évidence. Nous sommes tous au courant qu'avec l'avènement du CNSP au pouvoir, il y a eu des sanctions qui ont été imposées au pays, notamment la fermeture des frontières et donc euh, la restriction des importations. Donc euh, cela a occasionné en tout cas un mouvement d'humeur au niveau des commerçants donc, euh, qui ont automatiquement spéculé sur les prix de certaines marchandises, dont le riz importé. Mais ici à Tilaberi, le riz local qui est produit au niveau de l'usine Riz du Niger a conservé ces prix-là, mais les quantités sont rationnées. Donc sur, euh, je pense bien que c'est des ordres qui ont été donnés par euh, les autorités au plus haut niveau. Les quantités sont rationnées parce que avec l'inflation du riz importé, il est devenu plus cher que le riz local. Donc les gens se sont rabattus et certains même partent chercher au niveau de l'usine pour aller revendre, comme c'est moins cher. Donc les quantités ont été rationnées. Sinon, ils il n'y a pas de rupture. Moi, je suis allé à deux ou trois reprises là-bas. En tout cas, euh, si tu ne ressembles pas à un revendeur, si tu parles là-bas, tu vas avoir. Mais maintenant, il y a les dames là qui vendent le riz au marché, qui partent par euh, en cohorte là-bas là, dès 5 heures du matin pour chercher le riz là et puis aller revendre. Bon, on ne va pas les en vouloir puisque c'est leur commerce. Ils faisaient ça bien avant. C'est devenu cher je ne sais pas comment les sacs de riz paddy là, ça, ça fléché. Mais au riz du Niger, je ne pas si c'est subventionné, ils ont maintenu leur prix. Donc, ce qui fait que, en venant prendre le riz décortiqué au riz du Niger et partir revendre ça au marché, c'est plus bénéfique que d'acheter le riz paddy et puis décortiquer. La question du prix du riz en hausse trouve d'autres raisons selon Hadjar Sanda. ai wo fulane go mone ga nere wallahi wato din to janda wata kan maga fata ma gonda dogo nei irga dai dogo nei irga nere dogo ne zama to janda sako irga hin ka dai zambar hinza da zongugu irga ka ne su waigu amma lokaco kala no irgo sako koito hal zambar taci da zongu taci irgo kankanere nere waidu cindugu amma wallahi noro siga ka wallahi sudu noro zama wakan sayir sudu noro dirka la sabu inna zambar taci da zongu taci ka inna mashi mashin noruka inna turi noruka inna dangandi yan noruka kirga danka koi safa ya haraga zamir ne sai kal ya haraga wallahi ir kunno ir sudu borgo yode in manana girbi hin kawo binde wallahi ir godi nongo kago koi to so ke girbe we wallahi ir sigati amma janda wata wallahi ir koi daga bonora ir ir irga alfare ga kasine irga dai zanke ga koi dai loktor koyre irga bankare te ise muradu kul kanno irga hin kabisandi indir almiyale kulga kango hora amma la jirbi Les autorités de la régulation des prix des denrées doivent intervenir pour trouver un commun accord entre les prix du riz et son accessibilité, surtout dans cette période où le pays traverse des moments difficiles. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, Adam Sariou est avec nous pour la page sport. Adam, bonjour. Bonjour Salamatou, bonjour Fanta. Bonjour Adam. C'est désormais officiel la 44e édition du Sabre national de lutte traditionnelle se tiendra du 22 au 31 décembre à Agadez sous le thème Sauvegarde de la patrie. Eh bien oui, d'ailleurs, à cette occasion, hier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le colonel-major Abdurrahman Amadou, a procédé à l'installation officielle du comité d'organisation. Adam a sur un tout autre plan, la CAF, la Confédération africaine de football, a dévoilé la liste des nominés pour les catégories masculines des, des CAF Awards 2023. Et oui, la prestigieuse cérémonie annuelle de récompense des meilleurs joueurs africains aura lieu le 11 décembre prochain à Marrakech au Maroc. 30 joueurs ont été choisis. Le grand absent de cette liste est le gardien de but camerounais de Manchester United, André Onana, qui a été finaliste de la Ligue des Champions l'année passée. Mais il est tout de même nominé dans la catégorie meilleur gardien de but. Pour rappel, l'attaquant sénégalais Sadio Mané avait été couronné joueur africain de l'année de l'année CAF en, juin, et euh, en juillet 2022 à Rabat au Maroc. Qui va lui succéder cette année C'est la question qu'on se pose. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt pour un autre numéro sportif demain. Merci Adam. Je vous en prie. Chers auditeurs, dans la rubrique portrait d'aujourd'hui, parlons d'une femme battante. Il s'agit de Saidi Amadou. La soixantaine, elle exerce le métier de relais communautaire. Son principal rôle est d'aller au contact des communautés pour les sensibilisations sur l'importance de vaccination des enfants et de consultations prénatales et néonatales et d'autres activités du CSI où elle travaille. Et cela fait 20 ans ou plus qu'elle exerce ce métiers. Oumu Oumaru est allée à sa rencontre. <laughs>

ay to jiru waran ka dedan di bata mora ay go ga terele to songo hajja mhm. goyo kandi go tirani bay du problem ara wallahi ba soro falla ba soro falla ay ma bay gudu wara son songo binda ka alhamdulillah ba di district boray no ka igogo gogo boray ha wallahi no ma zoro gace ba bifo kalkan ani ay ma borani anai ke abinda ka ga gar ai dan baran do kano ne manas ai ai ka garan gunano zona iragji ala aron go zona rai ne wallahi dai ne abin da ana tira ta hanu guna ane ato borom hin suru ane ni di goyo wane suru goyno zo mu hundai ra furu yango ane kal suru yarin ga furu wundi wundi lokaci irga irgo furu wundi ra fun bondo lokaci kulu irga ne borai se zankai goka ga can saiti can so kul kan dumno yarin ga hali kan saiti aran no yo hali ga can saiti in no furu wundi hundi irma borai ka tarai imini han filana hani igoka di ka arama ka garan zankai kensa aran go bai dobu dobu kenso no arama koy nangu filana sitto go nodi da poli amo no windi ka windi arama koy ara ig zankai ga ka arun wunde da arama zan zankai ka tarai se zama aran di dorai dini zan poli awo songo irdi a songo wai kin dugu iza sin da polio hambal jiru waran ka ko jiru waran zai zai kayan te za banda banda jadin ga aran goyo gote albarka agoga te eh, to wallahi alhamdulillah borai goga faham kaina kaina zan borai goga faham doro sigidi poli awo son borsidiya go zankaga ifo tu gombe kan du goyo wara wallahi du gomnara ba songo ngede ne ya songo kadai ina isambu newo bi ainu zumbu haikul kan wogte district mazor ga cega ne sai wallahi gote ya cini arama ka koyre ne to kani mm. fogo ba wodi songo kalir go gudu ba banandi ki go tersene wallahi gogudu kayi borei go no kayna kaina safun nor dir ko rele irgudu ir kaina alhamdulillah abisa borom ka afu gogoro goro Merci Oumou Marou pour ce portrait, chers auditeurs. Encore une autre un autre tour en musique avec l'orchestre Tal National qui nous chante Soye ya Dadi Dadi Fanta. On écoute. 结。 Chicago. c'était l'orchestre Tal National qui nous chante Soyeya de Dadi. Maintenant, on passe au loti du jour. Dans la culture nigérienne, l'eau chaude ou encore des infusions de plantes ou des racines sont utilisées pour la toilette de la femme après l'accouchement. Cependant, il est déconseillé d'utiliser l'eau brûlante ainsi que les produits parfumés sur les parties intimes de la femme afin d'éviter d'éventuelles infections. Toutefois, la femme doit se laver tous les jours. Les détails avec Mariama Dello et Rabi Mekano. Affairage, affairage, affairage, affairage. Hmm. je te dis pas, ma copine. Moi, depuis mon accouchement là, je saigne tellement que je ne sais même pas comment gérer ça. Mais qu'est-ce que tu racontes là Regarde par exemple, pour éviter les infections et être propre. Évite déjà tous ce qui est de douche agressif, produits alcoolisés et savons parfumé. Pour ta toilette intime, utilise de l'eau tiède, du savon de Marseille et des serviettes propres. Serviettes Les mêmes que j'utilise là pour mes menstrues ou bien il y a des serviettes spéciales Oui, les mêmes serviettes que tu utilises. Tu peux aussi utiliser du coton, des tampons ou encore plus économique parce qu'on se connaît. Hein quelquefois c'est compliqué. Utilise du linge propre que tu dois changer trois fois par jour ou même plusieurs fois au besoin si tu saignes beaucoup. Regarde, ton simple pagne là, tu peux le découper en morceaux, il fera l'affaire. Assure-toi juste qu'il soit bien propre. Ah, ça, c'est facile. Mais pour ma toilette, je fais comment C'est aussi simple que ça. De la même façon que tu saignes, c'est de cette même façon qu'il faut que tu te changes. Donc, ta toilette, tu la fais autant de fois qu'il faut. Hein aussi simple que ça Mais attends, tu me parles de savon parfumé, l'eau tiède, <laughs> tu oublies nos petits secrets, <laughs> les plantes magiques qui font des miracles. Non, non, non, non, surtout pas. C'est à bannir ces pratiques-là. Ça peut être dangereux pour ta santé. En plus, dans cette période, l'organisme de la femme est très sensible. Et tu vois, ma copine, sois très attentif si tu remarques que les saignements changent de couleur ou d'odeur. Cours vite voir un gynécologue. Un ah bon Merci ma copine. Tu es géniale. J'ai bien compris tout ce que tu viens de dire. tu connais pas le bonus. Tout ce que je t'ai dit te permettra de retrouver ta fraîcheur. Ça, ma chérie, c'est vrai <laughs> affaire La suite dans les groupes WhatsApp. affaire âge, affaire âge. » parler et c'est notre mot du jour présenté par Abdelmoumouni Nyeli. Bonjour Nyeli. Bonjour Salamatou. Notre euh, mot du jour aujourd'hui pour la culture linguistique porte sur l'alliance. L'alliance est un mot du genre féminin. On dira alors une alliance. Au premier sens du mot, selon le dictionnaire, c'est une union contractée par deux parties sur un engagement mutuel. Comme ce fut récemment le cas avec les pays des trois frontières, qui ont signé une alliance dénommée Alliance des États du Sahel. Elle est signée entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso pour un accord de défense et d'assistance mutuelle. Au second sens, il désigne un pacte établi entre une divinité d'une religion et les adeptes de celle-ci pour recevoir des bénédictions en échange au respect et à la dévotion ou la malédiction en cas de désobéissance. Au troisième sens, il est le symbole d'une union dans un couple. Là, on parle de la bague d'alliance faite en métal précieux, en métal précieux porté sur l'annulaire gauche des mariés. salamatu eh, ko alliance e fulfulde alliance ni kongol no tindinira nder fulfulde ko woni fota adi no dirde caka himɓe ɗiɗo caka leyɗe e leyɗe caka pelle e pelle i ɗum fota adi no dirde misali ko ɓooyay caka leydi niger leydi mali leydi burkina faso leyɗe ɗe endan ni adi no diri nango no dirde caka mu'en nder saɗornan fuu garɗan e leydi worri caka leyɗe tati ɗe endan ɗum saabi leyɗe tati ɗe andani juɗɗini fedde indirane aes nder faransire alliance des états du sahel nden alliance no laato kadi fa hannden hokkodirde amana caka deweteɗo e rewoɓe mum rewoɓe ɓen endan ɗo tano deweteɗo o endan ngam barkinede de ɓe murti du guddi e bala'u jippano ɓe dow maɓɓe hotande duni fa hannde hundu nder finatawa dewle kandu fa hande no indire alliance o enɗan ngam seedade aadunodirol gol dewluɓeɓe enɗan gaɗinodiri bala an fulfulde Merci, beaucoup, Niali. <laughs> Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, en Hausa, en Zerma, en tamaché ou en Fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages des auditeurs. sunana alga ibrahim a nan garin cirozere masha allahu istidiyo kalangu muna jin daɗin kasancewata da mu a cikin wagga jiha ta mu ta agadez da duka garin cirozerin muna jin daɗin shirye-shiryen da suke bayarwa a kowane lokaci to alhamdulillah bisa kan wannan fannin shirye-shiryen ba a cewa wanga shirin ya burge wancan bai burge ba amma shirin wanda ya yi a gare ni na hiso shiri ne na tus alafada da wannan shiri nasu na karhe goma sha ɗaya alhamdulillah abin da suke yi babu abin da za mu ce sai dai mu gode Allah ko mu ci Allah ya kama musu saboda akwai shirye-shirye wanda Brema ba su hidda talaka ba ba su hidda mai kuɗi ba kowa da kowa sun saka shi cikin tahiyar su gabaki ɗaya gaskiya muna ma sha'a da kasancewansu a cikin jahohinmu. Suna na Zara Abdulwahab. Wannan labaru na Sidiyo Kalangu muna jin daɗin shi. To muna samun labaran da ke faruwa cikin ƙasa. To muna jin daɗin wannan labaru nasu. Basu bar ɗiya mata baya ba. Suna na Zara Abdulwahab. Wannan labaru na Sidiyo Kalangu muna jin daɗin shi. To muna samun labaran da ke faruwa cikin ƙasa. To muna jin daɗin wannan labaru nasu. Basu bar ɗiya mata baya ba. Ni ne Umaru mai gyaran tile a nan tasa. Shi dai Studio kalangu da muka fara jin shi mun yi murna da samun shi mun yi murna da ma'aikatan radio kalangu saboda abu ne da muke dan jira dama ya birge mu muna samun labaru abin da suke wakana game da labaru tatacci na kirki wanda babu wani kokonto a cikin wannan labarin nasu saboda ni mabukacin su ne a yanzu haka ina da bidiyo normal tasu wanda yake na ga ma'aikatan na san su kuma na ji akasari ya fi birge ne ina ɗaukar lokaci fa zuwa ma wani lokaci sai kamar radiyo sai sun ƙare ma in kashi ra'ayi na Allah ya ƙara musu basira kuma ya ƙara musu ƙwarin damce yadda za mu samu kuma labarin da suke waka na game da mata ko yara ko kuma da suka tace labaran yayi kyau muke hin jin daɗin shi saboda akwai wani lokaci ma in aka ba da labaran sai mu ga kawai ba su yi ba sai mu dan jira mu ce bari mu a radio kalangu yanzu suke buɗa da ma sun buɗa ko halishin hausa ne ko na hillanci ne ko faransi ne kawai sai na ji kawai kamar ma ina cikin su akwai lokacin da suke yi da faransi kin nan abu na ma sha'a kawai wani lokaci sai in ga kawai kama kasu ba bari ba wani lokaci Chers auditeurs, à présent écoutons Concept 227 à la nigérienne. see me mola da algeta bitinir kasa mandiba tora Site sele Nigeria Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Oh, non, non. now, oh now, oh now, oh. Hey, hey, yo. Na na na. Oh, oh. De adunia kechena zaba zota mamuwa domba kamal kiba kama kamani ya kasamin zuchiya zo aminiya kama anuna believe in me I won't let you down you know I love you like I never did believe in me I love you so now je t'aime beaucoup, jamais je ne te quitte. Nide a que ke chena zaba, zota mamuwa don baka malkiba. zo amini kama anuna. Believe in me, I won't let you down. You know I love you like I never did. Believe in me, I love you so now. Je t'aime beaucoup, jamais je ne te quitte. A peine je t'ai vu, je suis tombé sous ton charme. Je nous imagine déjà comme mari et femme tic mon cœur te réclame. Je te promets de ne plus te faire verser tes larmes. Oh, je sens mon âme qui s'enflamme et l'amour me condamne. Je crains que ça crame. Y'a Y a pas de quoi en faire un drame. Comme on sait, se pardonne. Je ne suis pas parfait. Non. Bébé, tu connais mes défauts. Tu connais mes défauts. Je veux que tu sois à moi, mais je me demande si je suis l'homme qu'il te faut belle comme une nomade. Je te kiffe comme un malade. Viens qu'on aille faire une balade. L'un de tous ceux-là qui n'est raconté que des salades. C'est ma gueule haut, ma gueule bas. Restons positifs. Rien ne nous séparera. On est comme Adam et Eve. Once again, me say love. It is a beautiful love, Love. It is a beautiful thing. love. it is a beautiful now. Lord, de adunia kechina zaba zota mamuwa domba kamalkiba zonkiya kamaniya kafamin zuchiya zo aminiya kama anuna. Believe in me, I won't let you down. You know I love you like I never did. Believe in me, I love you so now. Je t'aime beaucoup. jamais je ne te quitte nide a que kece na zaɓa zota Kamal don baka malkiba son kiya kama zo aminiya kama anuna believe me i won't let you down you know i love you like i never did believe in me i love you so now je t'aime beaucoup jamais je ne te quitte I got baby, nigga, Ba I ekweseni de fondi baye ansegatibi amasikwega feri zamadakomani ndogate dondaibai abini baka maalana ni mabaikani nabinaha j'ai passé mon temps à faire la sélection de meufs alors que toi t'es là tu demandes que mon cœur je suis désolé aujourd'hui je ferai ton bonheur bébé à moi, je lutterai pour être ton roi. Oui, bébé à moi, je lutterai pour être ton roi. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de, notre, de votre émission Le Niger sur Kalangou. Nous avons adoré passer ce moment à votre compagnie. Rendez-vous demain avec notre duo. Au micro, c'était Salamatou Kadri et Fanta Chamsou. Et à la technique, c'était Amina Hassan et Adam qui à l'édition.